Nous sommes mardi 31 octobre 2023, chers auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Rekia Arimi et à mes côtés, Habiba Ahmed. Habiba, comment tu vas ce matin Alhamdulillah, Rekia, et de ton côté Je vais bien aussi, merci. Super. Chers auditeurs, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Rahila Toussoumana et Adama Dawaki. À la technique, nous avons Kader Tombiano. Alors Rekia, dis-moi quoi pour nous ce matin Habiba, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Abdoulaye Amadou Sidibé, dit alias P. Chapsa, artiste rappeur nigérien. En musique, nous aurons l'occasion d'enjoliver votre journée. Nous vous proposons une bonne dose musicale 100% locale, consommant nigérien. Et dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Maradi, département de Mayaï pour parler des dialogues intergénérationnels. Il y aura également la chronique Loti, sans oublier la culture linguistique. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Bonjour Nafissa. Et quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui Alors, ce 31 octobre 2023, le Niger célèbre la journée mondiale des villes sous le thème Meilleure ville, meilleure vie. Une journée qui, selon le ministre de l'Urbanisme et du Logement, vise à promouvoir les succès de l'urbanisation et relever les défis spécifiques résultant de ce phénomène. Selon Salissou Sahiro Adamou, l'étude d'une stratégie de financement de l'habitat social au Niger, dont le rapport est un instance d'actualisation, un document de stratégie sera adoptée par le gouvernement en vue de la tenue d'une table ronde des bailleurs afin de mobiliser des ressources substantielles à investir dans la construction de logements sociaux. Une caravane civilo-militaire de la jeunesse sillonne les régions du Niger. Après l'étape de Difa, Zender et Maradi, les activités officielles ont été lancées ce dimanche à Dosso. Le coordinateur de la dite caravane, Idriss Adamou, d'indiquer qu'elle a pour but d'ancrer aux jeunes des attitudes et des comportements à même de promouvoir et de cultiver davantage les valeurs de citoyenneté et de patriotisme, mais surtout à renforcer les liens de confiance entre civils et militaires.

Enfin, trois mois après la prise du pouvoir par les autorités militaires au Niger, la société civile se félicite, je cite, de la liberté retrouvée et l'élan patriotique que l'avènement du CNSP a réveillé auprès du peuple nigérien. Fin de citation. Le secrétaire général du mouvement, Sanoussi Maman, se réjouit de la prise en compte des revendications des Nigériennes et celles de leur organisation pour avoir demandé le départ des troupes françaises ainsi que leur matériel. Après trois mois aujourd'hui, ce départ est en train de se concrétiser sous la supervision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le MA62 demande au CNSP de rester engagé pour les intérêts du pays et surtout de veiller à sauvegarder la souveraineté du Niger tout en veillant à la sécurisation du pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Merci Nafissa. Je vous en prie. Comme annoncé en début mission, nous avons comme invité dans cette émission Abdoulaye Amadou Sidibé, alias à Pichaps, artiste rappeur nigérien. Pichaps, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, et merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Mais avant de vous d'entamer cette discussion, écoutons notre première balade musicale avec le titre Iberei de Pichaps avec nous dans ce studio. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ibara ego inga hina kulga Da irko ba Ego za imo zaira Ay ba ke mobo gay ha Ay ge eko sabu tali fusaiga ga aywasikafoniya aybadkaygo wararab gawindigay laabariha taalikursaga gahan bandhigayga ayga irkwa sabukanay tabehunkunaa susbalawu kulu ayga irkwan waramtontonay alomaroga zamay ibrede shetanaygo ga. izeda kal imay alomarokayga idriyanka aybafunaasi ikambara hali zimay zengwa gidalezengway miyegi bandaferi ibasi ingedemaduwo ba. De irkwa bamo wakigabasite ayga aygargasay iga ai barga pai iga turi hamne go sai sai ga banda banda yanga ai na kanya wala wati kul dul landi yanga ai go ga bai iga ai si ichi nara ai ga de ir ga go inga hina kulga izeda kalima malaika mauti jin ai alo maroga hina fo si se igai alo maro bande ir koi sigino saye wai na ka fatta ikamba sadabu izakambanaga berimo akayinayangagabu ibaraigay bande inafosise igay alomaro bande irkoysigilo saye wainakafata kambasahadabu izakambanaga berimo akayinayangagabu cinin da zari jingar salam face kan si ka ibar sam veut dire ennemi pichaps dites-nous plus sur ce titre OK et donc euh, j'ai enregistré cette chanson parce que c'est je ne dirais pas que c'est une chanson visée. Bon, au fait, c'est une, ch une, chanson visée, mais je ne suis pas le seul qui est en train de. Visée par qui Bon, là, je ne dirais pas le nom de la personne parce que eh, une chanson, c'est une chanson oui, oui. Une chanson, c'est comme, euh, c'est comme du prêche, au fait. Parce que quand tu regardes la télévision, tu regardes le prêche et que souvent le marabout, tu vas même, tu vas même, souvent tu es même obligé d'éteindre la télévision parce que souvent quand tu écoutes certaines euh, euh, choses que disent le les marabouts, tu vas même croire qu'ils sont, ils parlent de toi, de ce que tu es en train de faire quoi derrière le dos de, de la personne à qui tu voulais faire du mal. Et donc, genre, c'est un peu ça. C'est des choses que j'ai vécues, que je suis en train de vivre. Donc, euh, je suis artiste et je préfère toujours être dans ce même sens et pour pouvoir lancer et faire sortir euh, le message que j'ai à et ce que je suis en train de vivre et de ma vie en réalité. Libre est sorti, ça ne fait pas trois mois que j'ai enregistré cette chanson. Et nous sommes aujourd'hui mardi et hier lundi, j'ai fini de faire le tournage de la vidéo et ça va sortir bientôt, Inch'Allah. Oui. auditeurs de cette chanson Ibaré. Ibaré de Abdoulaye Amadou Sudibé alias Pichaps, notre invité du jour. Pichaps, d'où vient ce nom Au fait, ce nom, j'avais ça depuis que j'étais tout petit. Au fait, euh, j'ai commencé et avec un groupe de rap euh, que nous avons fermé et mhm. formé. Mhm. Il y a Pichaps et Yankee Bronzy et Slender. Mhm. Donc c'était en 2004. Et après quelques années, Slender ne fait plus partie du groupe. Donc. Euh, j'ai continué avec ma carrière avec euh, Yankee Bronzy Et donc, euh, nous avons quatre titres et une vidéo à l'époque. Et de 2007 à 2009, j'ai continué ma carrière en solo. Hmm. Et 2009, j'ai composé un de mes titres, My Name is En 2017, j'ai fait la vidéo. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc, euh, j'ai continué ma carrière en solo. Et donc, euh, puis p c'est petit champion qui est décomposé. Quand tu écris champion, tu enlèves le M-I-O-N, ça te donne Chaps. Et j'ai gardé ce nom d'artiste avec moi dès au départ, au fait. Wow. Et c'est quoi l'idée derrière ce nom Ok. Maintenant, tout ce que tu, fais ou tu aimerais faire, que tu, tu, tu, veux faire, et tu préfères toujours être le champion. Et quand c'est du côté de la musique, c'est du côté de l'athlétisme, tu... on veut toujours être champion ou championne. Quoi. Hmm. Donc on, veut toujours être le meilleur, la première ou bien le premier. Donc vous voulez être champion de la musique. Oui, oui. Et <laughs> je suis champion dans la musique, je suis roi, je suis loup, je suis tout. Quoi. <laughs> <laughs> pourquoi pourquoi avez-vous choisi le rap et pourquoi pas un autre style Waouh, waouh, waouh. waouh. Bon, en fait, la musique, quand tu es artiste rappeur, tu es artiste chanteur. Parce que la musique, souvent, quand tu fais tes compositions, mhm. s'il s'agit de rapper, tu es obligé de rapper. S'il s'agit de chanter aussi le texte, tu es obligé de chanter. Parce que la musique, elle est universelle, elle est comme ça, en fait, la musique. Et c'est quelque chose que j'aimais depuis tout petit. J'ai toujours souhaité être euh, chanteur, rappeur. Et Dieu merci, je suis et les rêves se réalisent enfin. Ça se, ça se réalise quoi, petit à petit. <laughs> et comment vos parents ont accueilli euh, cette nouvelle quand ils ont appris que leur enfant va devenir ou devient un chanteur, un rappeur Bon, euh, moi, au fait, je euh, j'ai jamais eu de problème à travers mes parents. Mon papa, lui, il est là, il est vivant. Et euh, il s'appelle Amadou, Amadou Sidibé, mhm. pour ceux qui le connaissent, mais il ne m'a jamais parlé, il m'a jamais dit un mot dans cette musique, dans ce que je suis en train de faire. Et la maman, elle est là aussi, elle est vivante. Même hier, j'ai fait une vidéo. Il y avait des rôles qu'elle a joués à chaque fois quand je fais des vidéos, elle joue des rôles. Quand je lui dis, oh, je la dit, ok maman, ok, on va tourner, ok, j'ai besoin de que tu me fasses cette rôle, faire ceci, faire cela, mais elle, ne dit rien. Elle, assiste et puis voilà, on fait le tournage et puis voilà quoi. Elles m'ont toujours encouragé, soutenu. Et souvent même quand j'ai des enregistrements à faire au studio, si je suis en manque, c'est elle-même qui me donne l'argent. Même euh, ma, toute première vidéo que j'ai réalisée en solo, celle qui m'a financé la vidéo, celle qui a payé, elle m'a appelé, elle m'a donné l'argent, je suis parti au studio et puis ah. voilà, j'ai parlé avec le réalisateur et voilà, on a fait le rendez-vous et puis j'ai fait la vidéo. Ah, vous avez eu le soutien des parents. <laughs> Alors, Pichaps, dans vos chansons, quels genre de sujets abordez-vous le plus euh, Le sujet que j'aborde le plus dans mes chansons, et avant, au fait, quand je commençais la musique en solo, je faisais des clashs, j'insultais. Et la maman, elle est là, elle s'appelle Fatih Jubogawari. Donc, elle me dit, écoute, la musique, euh, il faut lancer, des messages, véhiculer des messages. Mhm. Le fait d'insulter, de faire du clash, ça, ça, ça va t'attraper dans les temps à venir. Ou bien quand tu fais tes vidéos, tu, tu, tu mets les clips et les filles en sexy, en nu, tout ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Mhm. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, OK, donc il y a du boulot qui m'attend. D'un côté, dans ma vie, euh, dans, dans, dans ma vie au quotidien, il y a des choses que je suis en train de vivre. Il y a des choses que je suis en train de, de, de, de vivre vraiment le fait de, de rapper, de chanter, de clasher, pourquoi ne pas lancer et véhiculer des messages dans ma vie au quotidien que je suis en train de, de, à vivre Justement, quel sujet vous tient à cœur Donc là, le sujet qui me tient à cœur, euh, le sujet qui me tient à cœur. Euh, oui, réfléchissez, vous nous dites. Je préfère euh, toujours aller dans le même sens parce que au fait, ce que je vise devant moi, que je suis en train de parcourir, c'est un fardeau pour moi en fait. Mhm. Je préfère le suivre. Donc je, dirais que c'est ce que je tiens au cœur. Voilà, de lancer le message que j'ai, ce message que je suis en train de véhiculer, que je suis en train de vivre, c'est ce qui me tient à cœur. Donc je préfère suivre, parce que c'est un parcours, mhm. je préfère suivre ce parcours-là, parce que c'est un combat. Exactement. Ça. Et quelle est votre idole Que j'inspire Oui. Oh, mon, idole que j'inspire, c'est la fine. Hein. Mm. C'est Moïse que j'inspire. J'inspire la fine parce que c'est lui que j'ai toujours écouté, j'ai toujours kiffé. Dans toute la France, en tout cas, il est le seul rappeur que j'admire vraiment, que je kiffe, que j'aime vraiment beaucoup. Michel. Et aujourd'hui, avez-vous combien d'albums à votre actif Là, j'ai cinq. n'ai pas encore fini l'album. Je suis en train de bosser sur l'album, mais actuellement, j'ai cinq titres. Donc, j'ai quatre vidéos bientôt. J'aurai ma quatrième vidéo bientôt et cinq titres. À votre avis, est-ce que les Nigériens consomment assez la musique locale Bon, maintenant, avant, auparavant, les, les Nigériens ne comprenaient pas. Mais maintenant, ils ont commencé à comprendre, quoi. Et d'un côté aussi, c'est la faute aux artistes parce que le fait de rapper en français ou dans d'autres langues que les Nigériens ne comprenaient pas, moi, je préfère que les artistes chantent dans leur langue nationale, que ce soit Hausa, Zarma, pour que les Nigériennes, les Hausa, tout le monde puisse euh, mieux comprendre. Parce Puisque avant, eh, je rappelle, je faisais mes compositions en français, mais après, j'ai changé de cadence j'ai toujours j'ai changé de cadence maintenant je fais mes textes en Zarma. et une Ibarai qui vient de sortir ça ne fait pas trois mois je l'ai enregistré et si n'est pas maintenant, avant, j'ai même du mal à composer en Zarma. Hmm. Tout le temps, je compose, je fais mes compositions en français, en français. Mais maintenant, je suis en train de, de, reprendre les chansons que j'ai écrites en, en, français mhm. pour les traduire en Zarma. Et voilà, quoi, puisque maintenant, euh, les jeunes aiment kiffer les, les textes qu'ils écoutent que d'écouter les chansons, qu'ils ont du mal à écouter le français ou d'autres langues. Ok, Abdoulaye, avant de continuer notre discussion, marquons une petite pause musicale avec une de vos chansons, mais cette fois-ci avec le titre Birihama. Euh, What's up? What's بينيكا يبينيكا أبانيكا أبانيكا أي بينيكا يبينيكا أبانيكا أبانيكا أبانيكا سم أي كرجا سينيكا سينيكا أي خسارة بيري هما أي خسارة أي خسارة أي خسارة والله أي خسارة أي خسارة بيري هما أي خسارة أي خسارة أي خسارة والله أي خسارة أي خسارة بيري هما أي خسارة أي سيني فندورا نيجا فندورا كوكا بقى فتا أي درب الرا جنسي بالموا والأمل زفا dans nos camps, côté de C'est En <laughs> fait, Birihama, c'est une de mes chansons aussi que j'ai inspirée à travers euh, mon vécu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans cette vie, même si tu n'as rien, tu n'es rien, tant que le même habit que tu, tu laves chaque matin pour porter, ou bien tu fais eh, eh, eh, lavage porté, il y a des gens qui ne sont pas contents et fiers de ça, qui t'envient à tout le temps. Mm. Aujourd'hui, c'est un message visé. C'est un message visé. <laughs> Moi, je suis comme ça et c'est ce que je suis en train de vécu. Et je vous le dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le seul qui, est en train de vivre ce genre de vie il y a ceux qui, qui, qui vivent le même genre et c'est cette vie que je suis en train de vivre aussi. Donc euh, la musique chose que je fais, au fait, elle est, c'est le message que je suis en train de, lancer à travers la musique que je suis en train de faire. Et je ne suis pas le seul qui, qui vit ce genre de, de, de, vie. Et donc euh, le message que je lance, ça fait aussi... Euh, ça, ça, comment dirais-je quoi Le message, c'est, ça se véhicule aussi sur d'autres personnes qui sont en train de vivre ce genre de vie parce que je ne suis pas le seul. Et c'est, une quoi. sorte de sensibilisation. C'est une sorte de sensibilisation, voilà quoi. Donc, et à travers la musique, le message, j'arrive à, parler haut de ce que d'autres euh, personnes euh, parlent très bas. Parce que le fait de chuchoter les mots par-ci par-là, moi je préfère lancer le message que j'ai à véhiculer dans, la musique. Et à travers la musique, le message ça passe. parce que euh, si les téléspectateurs ou auditeurs, ou auditrices qui vont écouter ou bien entendre la musique que je suis en train de faire, ils vont dire ok, ils vont comprendre automatiquement de quel sens, dans quel sens la musique est véhicule. Voilà. On va déguster sa chanson. Hein. et Fichaps pourquoi, pourquoi à chaque fois vous chantez en langue Puisque on a écouté la première chanson, c'est en langue, et celle-ci aussi, c'est en langue. Oui, en langue, parce que pour que le message puisse très bien passer, moi, je préfère que ça soit en langue, puisqu'on est dans le Niger et on parle la Zarma, la langue Zarma, Hausa, Peul ou le français. Donc moi j'ai un côté, moi je suis Sidibé, j'ai un côté Peul du Mali, mais j'ai du mal à parler la langue Peul ou la langue du Mali. Mais je préfère chanter en langue nationale qui est le Zarma pour que le message que je suis en train de véhiculer puisse euh, bien être, puisse très bien passer et puisse euh, être bien écouté. Et c'est des chansons à langue que vous faites seulement Là, Actuellement, je suis dans le tempo de, de, chansons à langue pour que mon message puisse très bien passer. Okay. Voilà. Ayasara biri hawa ayasara ayasara ayasara wallahi ayasara ayasara biri hawa ayasara baatindin baafuna aymana haykultenise aymana haykulwaanise ama aytalaka baafuna anilsakam disin aykulay baafunase damanti irkoy baano andamayza dilbiyo mafuto alasiro batekono zimaganko aygazayni raamo idanga wayno matafarga kote kesaye fonday daaburamo zagalunda kauye karsaji aibeniga ibeniga hawakatene hinaba usugagateniba furo jahanama zaune sen alahara خسارة بيري هما أي خسارة ولا أي خسارة أي خسارة بيري هما أي خسارة ولا أي خسارة أي بينيكا أي بينيكا أبانيكا أبانيكا أي بينيكا أي بينيكا أبانيكا أبانيكا أبانيكا تم أي كركا سينيكا سينيكا أي خسارة بيري هما أي خسارة أي خسارة أي خسارة ولا أي خسارة أي خسارة بيري هما أي خسارة أي خسارة أي خسارة ولا أي خسارة أي خسارة بيري هما أي خسارة Retour au studio, chers auditeurs, nous sommes avec euh, Pichaps pour ceux qui viennent de nous prendre et de prendre l'émission en cours. Alors, Pichaps, comment percevez-vous l'évolution de votre musique depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui ah, Là, je dis grâce à Dieu, alhamdulillah, quoi on piétine nos pas petit à petit, Dieu merci, parce que maintenant est mieux qu'avant. Mhm. Parce que chaque chose que tu fais, le début n'est pas du tout facile. Le début n'est pas du tout facile, donc on rend grâce à Dieu. Et on remercie le bon Dieu pour qu'il nous donne encore plus de vie, pour qu'on puisse vraiment réaliser nos rêves, euh, faire vraiment sortir le message que j'ai à véhiculer. Mhm. Voilà quoi. Avez-vous un autre métier qui vous permet de gagner votre vie Oui, bien sûr. Et là, je suis un artiste euh, tout terrain. Je suis un artiste au complet. Mhm. Et à part la musique, euh, je fais de la calligraphie, peinture, dessin, art. Mhm. Et même euh, mes propres styles vestimentaires, c'est moi qui fais mes. c'est moi qui les cousu, quoi, au fait. Mhm. Donc, tu Donc, en même temps. C'est, au fait, j'ai l'idée. J'ai l'idée de faire, j'ai l'idée de réaliser, j'ai l'idée de faire ce que je veux que j'aime, qui me plaît. Quoi. Souvent, quand je suis assise, dès que j'arrive à, à, inspirer, mhm. en même temps, je me lève, je vais, et puis voilà, quoi. J'achète les fils qu'il faut, les tissus qu'il faut pour euh, venir faire, quoi. Ok, et puis, Chef, s'il fallait changer un jour de style ou de métier, que feriez-vous Bon, la musique ne sera pas facile à, à laisser, mhm. parce que à travers euh, la musique, mes messages que je suis en train de véhiculer, que j'aimerais véhiculer à travers la musique, euh, c'est en train d'être passé et petit à petit, mhm. de l'oreille à bouche et sur les ondes aussi. Donc, euh, alhamdulillah. Et le métier aussi, je ne peux pas euh, abandonner ou bien laisser mon métier parce que aujourd'hui, je ne peux pas prendre le risque de laisser et mon métier et continuer la musique parce que je ne dirais pas que la musique, ça nourrit pas son homme, ça nourrit, mais c'est le travail qui fait en sorte que la musique nourrit son homme. Mhm. Donc, euh, euh, en Zarma, on dit euh, mhm. Tu fais la musique de ce côté, il y a ton métier aussi, tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes. Au fait, au fait aujourd'hui, il y a des grands même qui sont âgés plus que moi, qui sont dans la musique, qui n'ont aucun métier à faire. Ils préfèrent jouer à la star, devenir rester à la maison, coucher, se réveiller, regarder la télé. Ils se prennent la tête ils sont des stars. Alors que être star, ça ne mange pas. Il faut travailler, bosser dur pour avoir de quoi gagner ton pain et avoir de quoi aussi et faire sortir tes œuvres soit au studio et au studio pour tes sons mhm. et au studio aussi pour tes clips vidéo quoi. Donc tout ça, il te faut, il faut des moyens pour faire tout cela. Donc euh, il faut travailler dur pour gagner de quoi faire sortir ses euh, œuvres pour que tu puisses être très bien. Quoi. Parce Ça, c'est pour les, chanteurs. Et quel message avez-vous à l'endroit de vos consommateurs de rap, vos fans Le message mm. Waouh, là, je ne fais que les remercier. Mm-hmm. Et bientôt, euh, il y aura une nouvelle chanson qui va sortir pour mes fans. Mm-hmm. Euh, parce que ils sont toujours moi, ils sont toujours derrière avec moi, m'encourager, me soutenir. Et ils sont d'accord aussi de ce que je suis en train de faire. Ils sont d'accord aussi de mon style vestimentaire. Donc, euh, euh, euh, les mots me manquent vraiment pour les, remercier et pour. comment dirais-je Pour. les mots me manquent vraiment pour les remercier. Merci Abdoulaye. <laughs> C'est un plaisir de, vous avoir à nos côtés. Merci et marquons une petite pause avant la suite de nos rubriques connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger Kalangou se poursuit. C'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo qui parle de la santé. Et la rubrique hebdomadaire de ce mardi 31 octobre 2023 nous parle de la dépression. N'est-ce pas, Rekia Oui, Habiba, la dépression est un trouble mental courant dont beaucoup de personnes ignorent l'existence de celles qui la vivent évite d'en parler. Docteur Leini Magaji, médecin consultant indépendant, nous en dit plus sur la dépression dans ton reportage. La dépression, c'est un trouble mental. Il est très courant et caractérisé par des sensations persistantes et profondes de tristesse, de désespoir et surtout des pertes d'intérêt pour les activités quotidiennes que la personne a l'habitude de faire. Donc il y a beaucoup de symptômes euh, qui peuvent varier euh, selon l'intensité et surtout selon la durée. Qu'est-ce qui cause la dépression Elle peut être déclenchée à tout moment en distinction de l'âge, du sexe ou de la situation socio-économique. Et la dépression, elle peut aussi se déclencher parfois sans aucun facteur qui visiblement est connu par la personne ou par l'entourage. Donc il faut retenir qu'on peut trouver des facteurs déclencheurs qui sont biologiques et c'est lié aux neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline qui un déséquilibre au niveau du cerveau. Donc d'autre part, il y a des facteurs aussi environnementaux, il y a des facteurs eh, et, psychologiques, il y a aussi des conflits qui peuvent en conduire à favoriser le développement de cette pathologie. Il y a surtout une perte majeure dans la famille de la personne, dans son entourage ou dans la communauté. Et une perte majeure ne veut pas dire uniquement la perte d'un être cher, ça peut être la perte de son budget, ça peut être la perte du travail, ça peut être la perte de sa maison, ça peut être la perte d'un conjoint ou d'une conjointe, ça peut favoriser le développement d'une dépression. Comment se manifeste la dépression Au début, euh, les symptômes vont s'apparenter euh, à juste une fatigue. La personne va sentir qu'elle est épuisée, elle n'a pas de force et elle sent une tristesse qui varie euh, selon la durée et l'intensité. Il y a certaines personnes où ça peut les prendre la moitié de la journée, il y a d'autres, ça peut les prendre toute la journée jusqu'à arriver à un point où la personne ne peut plus mener les activités quotidiennes qu'elle a l'habitude de faire. Donc c'est ça, en fait, euh, les, les premiers signes que vous allez trouver au niveau de la personne. Il y a aussi un changement au niveau de l'appétit, donc de l'alimentation, et au niveau du sommeil. Vous allez voir la personne, et parfois, le plus souvent, elle n'arrive pas à manger la ration alimentaire qu'elle a l'habitude de manger. Ou d'autre part, le sommeil qu'elle a l'habitude d'avoir, si elle a l'habitude de dormir 6 heures de sommeil ou 5 heures de sommeil, cette fois-ci, elle a des sommets interrompus. Ou bien la qualité du sommeil n'est pas euh, vraiment euh, comme il avait l'habitude de l'avoir. Parfois, il y a des insomnies. Le sommeil réparateur, là, il disparaît. Ou bien la personne va avoir un réveil précoce. Une fois qu'elle se réveille à des heures du matin, elle ne peut plus retrouver le sommeil. Où la personne, avant de retrouver le sommeil, il va passer toute la nuit. Malheureusement, ça ne vient pas. Parfois, c'est à 5 heures du matin ou à 6 heures qu'il arrive à trouver un petit temps de sommeil et puis c'est fini. Il y a aussi la tristesse. Et la tristesse, ça varie d'une tristesse simple, parce qu'on parle de la dépression, même c'est un syndrome en fait, d'accord C'est un trouble qui a plusieurs, euh, qu'on peut retrouver beaucoup de symptômes, beaucoup de signes dedans. Là-bas, vous allez voir, euh, il y a la dépression légère, d'accord Ou euh, la personne, elle, va sentir une, tristesse, mais euh, c'est passagère. Et dans ce cas, il n'y a pas une grande nécessité de voir un thérapeute, un professionnel parfois avec le soutien communautaire, le soutien familial, la personne peut, peut passer ça. Donc jusqu'à arriver au niveau de la dépression modérée à sévère. Alors, comment se fait le traitement de la dépression euh, Le traitement de la dépression, il varie. Et d'abord, comme pour la dépression légère, je vous disais que tantôt la personne a besoin des compétences communautaires. D'abord, il faut se baser sur les compétences de la personne elle-même. Comment elle a l'habitude de gérer ses difficultés Comment elle a l'habitude de gérer ses problèmes Il faut lui rappeler ces compétences-là. Et maintenant, dans son entourage, elle a des gens à qui elle fait confiance. Il faut faire appel à ces personnes-là pour l'accompagner, pour le soutenir. Maintenant, l'autre part, si ça ne marche pas, en ce là il faut faire appel à des professionnels. Voilà, donc dans la prise en charge, il y a les psychothérapies surtout la psychothérapie qu'on utilise le plus souvent, c'est la psychothérapie cognitivo-comportementale qui va changer à la fois les pensées parce que dans la dépression, il y a des pensées négatives. La personne pense qu'il y a un désespoir qui est là, qu'elle ne ça vaut même pas la peine, donc elle ne va pas réussir, elle va échouer, de tous les cas ça ne va pas marcher. Donc ce sont des idées négatives. Donc ça c'est le plan cognitif qu'il faut travailler pour changer ses pensées. Et au niveau du comportement, il y a des actions qu'on va demander à la personne de faire et pour prendre soin de son corps Chers auditeurs, soufflons encore une fois de plus avec ce titre Tende, une vieille musique traditionnelle chantée par deux femmes Touareg, n'est-ce pas Rekia Oui, Habiba, avec ce troisième titre de, de notre sélection musicale, nous faisons un gros coucou à la population d'Agadez qui nous suit sur cette émission. C'est parti. musique n'est rien d'autre que le son de Féjamila Tamalika, une femme qui incarnait les valeurs traditionnelles. Cette joueuse des Tendé est l'une des plus anciennes et l'une des plus respectées de la région d'Agadez. Ce musique communément appelée Elewa Gantamashek font danser les chameaux harnachés au rythme du Tendé et à la gloire des chameaux les plus beaux, contrairement à l'autre musique Tendé que vous connaissez par les femmes et les hommes à l'occasion des mariages. Musical chers auditeurs. Place à l'écho des régions de ce mardi. Direction Maradi, plus précisément dans le département de Mayaï, pour parler du dialogue intergénérationnel. N'est-ce pas, Rekia Oui, Habiba, dans nos communautés, il arrive des incompréhensions entre, entre les générations, notamment sur des questions qui nécessitent une décision à l'unanimité des couches. Vu que les plus âgés et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même vision des choses, une euh, mésentente euh, est vite arrivée. C'est pourquoi l'écoute de toutes les couches s'avère nécessaire dans une communauté. C'est qui, ce qui ressort dans ce reportage signé Issoufou Cheibou Amayai da tsohi na dogaro da cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau duci ba ya gani shi yayin da matasa ke faɗin cewa lokacin ku ya wuce yanzu muke zamani Malam Ibrahim Dan Juma wani dattijo ne ya ce maiya dai suna nan ga wurinsu. Mayyan suna nan inda suke mayyansu. amma yaro yanzu bai ma kula da ba ba zai bashi girma ba yanzu shi magana yaro kenan kawai da da ya da baya mushi magana sai ya ja wancan sai mu wannan tsohon kawai ya dame mu mu wannan mun huta wurin to kun huta wurin ina za ku kai amma inda yaro yana da hankali babbawa shi ne ya kamata a bi a ba gaba ladabi da biyayya. Sai dai matasan ba haka suke gani ba, tsohin ne ba su tahiya da rigar zamani inda suke rike da ra'ayin riƙau. Matashi Malam Usman Tanko Mamudu ya ce rayuwa tahe take da sauye-sauye. Yau in muka yi la'akari eh, rayuwa kullum ana ta kamar canji ake samu. Ana samun sababbin abubuwa yanzu in muka ɗauka an yi zance abin da shahi zamantakewa tsakanin eh, tsohi da mu yanzu matasa in aka yi la'akari canjin da ke da kwai su canda akwai abubuwa wanda lalle lalle su maya ne suna hangen wasu abubuwa cewa da mu lokacin ma ba a ma yi ma ba to kuma yanzu an zo cikin yanzu kamar zamanin mu ne lalle bai kamata ba kamar su a matsayin su na tsohi su zanki tirsasawa lalle abubuwa da yawa na zawa wa'anda wajibi ne a tattauna a ji ra'ayin kowa kamar fannin zamantakewa kiwon lahiya ilimi da sauransu Malam Ali Bakuso lattijo ne ya ce a wannan lokaci da muke ciki ya kamata matasa da lattijawa a ƙara haɗa kai don a gudu tare a tsira tare. Wato sai an haɗa kai, a haɗa kai eh, tsakanin iyayen su dai mu dai iyaye mu ne kamata mu rika jan hankalin 'ya'yanmu kuma mu rika ba hukuma goyon baya matsayinta na ita ce shugaban al'umma gaba daya gane ma juna na sa a yi maganin duk wasu abubuwa da ke hana ruwa gudu tsakanin tsohi da matasa in dai baki na haɗuwa ana tattaunawa to hankalin kowa ya kwanta. Wa'anne hanyoyi za a bi don ƙara ƙarfa intar juna tsakanin matasa da tsohi? ga ra'ayin wani mai fahimtar al'amuran zamantakewa. tsakanin mayya da yara sai an kai ana kuma ti kai babbatan da yaran ga sun yi maka daraja ka san cikin yaran akwai wani suka ma ko to yau wato kai ka rika ma yaran ga magana maka ga su sarare ka in suna sauraron ka ka rika zuwa lokaci lokaci kana dan ba su bayani saboda ba mu tafiya haka kala zubi su kuma matasa yaya suke gani don samun fahimtar juna tsakanin su da tsohi in dai fahimta ake so a samu babu abin da ya wuce a zo a zamana kenan a zo a sauya yau tsakanin bangaren nan biyu ta haka ne ni a nauta na ni nake ga za a yi samun masalaha a samu hanya bullalla. Hanya mafi dacewa ita ce wadda za ta kai mutum a wurin mutane. Saboda haka daidai ne tsakanin tsohi da matasa a rinka haɗa gwiwa ana shawara bisa kan dukkan abubuwan da suka shahi rayuwa haka sai a cimma gurin da aka sa gaba. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Rekia, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Bonjour. Et l'équipe nationale du Niger de lutte traditionnelle a changé d'entraîneur, n'est-ce pas Gourouza ah oui, oui, euh, Rekia, il, s'appelle Ibrahim Maman, âgé de 53 ans, enseignant de lutte euh, à l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'INGS, c'est un spécialiste de lutte traditionnelle, la lutte africaine et la lutte olympique. Ibrahim Mann a pour mission de faire qualifier le Niger pour la première fois aux Jeux olympiques dans cette euh, discipline. Gourouza, les équipes de Niamey se préparent pour la Super League 2023-2024. Oui, Abiba, pour euh, bien rentrer euh, dans la danse de la compétition d'élite du foot nigérien, les équipes engagées s'activent pour une mise en jambe demain Mercredi 1er novembre 2023, à Niamey, il y aura la confrontation entre les Rouges Blancs de la Kouroussou, l'Olympique FC, et les Bleus Blancs du Liberté au stade municipal. La deuxième rencontre opposera Guerrier FC et Wadark. Euh, ce match entre dans le cadre euh, des moins de 20 ans. Gourza, hier 30 octobre 2023, on a décerné les ballons d'or en dames et messieurs. Oui, et c'est l'Argentin Lionel Messi qui a été couronné pour la huitième fois de sa carrière. Il succède à Karim Benzema, premier en octobre 2022. La Coupe du Monde euh, gagnée en 2022 au Qatar a permis d'ailleurs à Messi de dominer Hollande, deuxième, Mbappé, troisième dans la course finale. Messi a remporté ce trophée en 2009, 2010, 2011, 2015, 2021 et 2023. Et certainement, c'est le dernier grand titre individuel de Lionel Messi cette année. L'autre couronnement a été décerné à une dame. Une dame, oui, une dame. Son nom, c'est Eitana Bonmati. Elle est espagnole de l'équipe de Barça. Aitana a remporté le cinquième ballon d'or féminin de l'histoire du football mondial. Elle dévance euh, l'Australienne euh, Sam Kiri et sa compatriote, euh, elle sa compatriote Salman Paris Oui, c'est ça. Elle succède à Alexia Pantela du même club, le FC Barcelone, Barcelone primé en 2000. Il y a également un prix qui honore les, réalisations sociales des joueurs sur la planète. Oui, ce prix est nommé Socrates. C'est un joueur euh, brésilien d'ailleurs. Il a mhm. été décerné à l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Il succède ainsi au Sénégalais Sadio Mané qui avait remporté le premier prix Socrates en 2022. L'attribution de ce prix est une occasion d'encourager les footballeurs internationaux lutter contre le racisme sur les pelouses. Voilà pour le sport de jour. Merci, Gorosa. Merci beaucoup. Après l'écho des régions, c'est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, Habiba Oui, Rekia, le volet portrait nous amène, nous amène dans la commune de Tondikiwandi, département Oualam, région de Tilaberi, à la découverte de Memouna, Soleil, une matrone de la dite commune. Depuis près de 15 ans, elle travaille volontairement et avec passion au niveau du centre de santé. Moumouna Soleil nous explique comment ça marche dans cette zone d'insécurité. Elle est interrogée par Adam Adawaki. matron tarara volontaire Alors wai bora gwande gwande za isin tinga ki ne din ne ma kulu ai ko fa karas am ka ko ngi ne sai te da ngi ne sai te kal ne sai kubai lokaci kan haiza ga sin tinga fura ga aga kaido inda no koi doktor kwara goyo kan gogote ifo gati sanda kan gogo dia sandai wasa ban goira amma irin wani majoro tubarikalla ong kan ka kulu aga bai matkan ga yara ne bai wato din borai man temo wato din ba ne so kan tutayyan hal borgudu boram ko gine so te bokal kalfaliyan da tutayyan amma sun o kan igo gidi projet igo kambadan we se za gunda ne siyon kalam ko hayyo har dai burki bura sai ke fa sin da baki yan koy ne ya dinga an sin da problem kun da wai borai godwa wai borai do hare wa problem sin dindi ya mari yan bonne te sa man koy kulu ye way kan kayan dinno ngai mo ken kena ir go gudu way go koy ngai ne sai te di hay i go koy gi izai fikire te kalim to ngai ni to so aran wanda mota kan da aran du wai hayya kin kan goga ga haisan aran wanda ambulance kan wasu wasu kai ga san buka aran sai kan dai irsinda ira sai dai to torkai lokacin kan ita da riyan so man diki no lokaci kan no kul torkai no sun bine ni kwara da rawo no diki no to kul igi ka ke. dai koi dai ni ka matkan kinno a goda zine ke ai windu kono ke ai gina sai am tunirin mpo zaman ino o da kan logotare imsu tunduman ti ima bora gindano lokaci kul kan no dai koi yi ma yi gindano yi gutu ki no dai a te. A afa inuwar na hai afa katorar hare na hai zama kwar fo mo gon 18 me din koi lokutar kwara isugo sai amma ton ni kwindi lokaci kul kan no koi hadda in boragin da bai wallahi gutu borkul ga bai kan doktor kwara goiwo a gonda inga sandayyan yan kuna ni gonda zanka kan ni prepare kan ni sola kan da ni sino a ganin ginnan go sambu mannan ano kan bisa isombu matron fogadan eh, ya irte ir borhinka maino ga aran bana gwamnato no wala mairio no wala kwara bore ai wo ai bumbo vision no ne sambu volontaire de ne fur e gwamnati sigiri bana Meri sigiri bana bor kul sigiri bana amma infirmier fo kan gor zam sa din ilman targudu stage fam ngono ne wai bore sai bor kul kan kaga hai amma tron no no savon bo hinka de mil fara wo ki ginno de no mannan projet foka ane major se matkul kanno kan isi ginno alhaku safuno hare ngin sombu ngono ginno ir safun hay aminno ir foy gine kena daman kiya da aran sinda banandi ir sinda banandi ir sinda banandi wallahi rakiya Après ce portrait inspirant, dégustons ensemble ce quatrième morceau de notre place d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Bangane Shiba des troupes Tal nationales. thank you bas des troupes TAL nationales. Rekia, c'est l'heure de notre rubrique Lotus des Desk Femmes du studio Kalangouf. Effectivement, Habiba et les Lotus de ce nous éclairent sur les baptêmes. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évitent de prononcer le pronom du bébé avant le baptême et qui est généralement célébré au septième jour qui suit la naissance. Écoutons ensemble pour plus de détails affairage, affairage, affairage, affairage. Assalamu alaikum, il y a quelqu'un ici Wa alaikum assalam, ma chérie rentre. Oui, oui, oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Comment tu vas ma copine hmm. Tu ne sais même pas. Je vais bien, Dieu merci. Dis-moi, d'où viens-tu sous ces chauds soleils Je viens de chez mon amie Léla. Elle a accouché hier, donc je suis allée la féliciter. Ah, quelle bonne nouvelle Mais toi aussi. Ce n'est pas une raison pour circuler sous ces chauds soleils. Là, tu as parfaitement raison. Mais bon, c'est la seule journée que j'ai de libre, donc j'en ai profité. Ah, je vois maintenant. Sinon, tu as quelle nouvelle pour moi Ma belle, je n'ai aucune nouvelle. Mais tu sais quoi hmm, Dis-moi, ma chérie. Moi, je ne comprends plus la nouvelle génération. C'est-à-dire, explique-toi, afin que je puisse comprendre. Tu vois, avant, quand nous étions enfants, c'est seulement le jour du baptême que l'on commence à appeler le bébé par son nom et le baptême se faisait juste sept jours après l'accouchement. Alors que de nos jours, c'est dès la naissance qu'on commence à appeler l'enfant par son nom et on assiste au fait que les gens repoussent les baptêmes. Ah, et tu trouves cela bizarre Bien sûr. À mon avis, les gens devraient suivre nos traditions, nos coutumes et notre religion. Ah, là tu te trompes. Tu confonds religion et coutume. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas la religion qui interdit de dire le nom de l'enfant jusqu'au jour du baptême et de respecter la date du baptême. Non, justement. C'est pourquoi je t'ai dit que vous avez tendance à confondre religion, coutume et tradition. Tu sais, rien qu'avant-hier, j'ai eu cette discussion avec un Ah bon Explique-moi alors. Dans la religion islamique, on peut appeler un enfant par son nom dès la naissance. Et on peut aussi reporter la date du baptême. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa de faire le baptême le septième jour après la naissance. Et il n'existe aucun verset ou hadith qui interdit de repousser la date du baptême. Parfois, il peut avoir qu'une personne manque de moyens pour acheter le mouton et tu sais qu'il est dit dans le Coran que Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Donc, on peut repousser le baptême jusqu'à ce qu'il trouve l'argent du mouton du sacrifice. Ah je comprends mieux. Donc depuis tout ce temps, nous faisions une énorme confusion. Voilà. Tu sais, avant l'avènement de l'islam, nous avions des coutumes et des traditions. Et depuis lors, il nous arrive de faire l'amalgame, d'où l'importance de chercher à comprendre et faire la différence. Tu vois, si j'étais resté à la maison aujourd'hui, je n'aurais pas appris tout cela. D'où l'importance de circuler en ville. <laughs> je te remercie vraiment de m'avoir édifié sur ce sujet. Je t'en prie, ma belle. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Bon, il se fait tard. Je vais demander la route. D'accord, ma chérie. Je t'accompagne alors. C'était là le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. retrouvant à présent Asmana Shina pour la culture linguistique. Oui, Rekia, et les mots du jour et concertation. Écoutons les explications avec Shina Asumana, journaliste et traducteur en Hausa. Bonjour Shina. Bonjour oui, bonjour Rekia, bonjour Habiba. Effectivement, comme vous l'avez dit, le mot du jour aujourd'hui, c'est concertation. Alors, euh, donc, euh, la concertation, c'est un échange d'idées, d'avis entre plusieurs personnes de manière à s'entendre sur une attitude commune et un projet commun. C'est l'action qui consiste à faire des consultations avant de prendre une décision sur un projet à réaliser. Cette concertation se fait entre les parties concernées. La concertation n'aboutit pas obligatoirement à une décision, mais vise à la préparer. Il s'agit d'une rencontre où seuls les avis des uns et des autres sont demandés. On peut alors dire que l'objectif de la concertation est pour des acteurs individuels ou collectifs de trouver un accord, de résoudre ensemble un problème qui se pose à eux, de prendre ensemble une décision collective ou de préparer une décision prise en finale à un autre niveau. Il est à noter que la concertation se distingue de la négociation, c'est-à-dire que la concertation est différente des négociations. Autrement dit, ces deux mots n'ont pas la même signification. Je vais aller un peu en de mhm. Donc, uh, wannan ta concertation tana de shawara da Hausa. On mhm. Wato shawara ce ko don samun ra'ayoyin de dama domin ganin sun sami jituwa sun sami matsayi daya akan wata manufa ko wani shiri suke son su Ana juna kafin a ɗauki mataki na ƙarshe a game da wani aiki da za su aiwatar wannan shawara tana faruwa ne tsakanin mutanen da lamarin ya shafa akasari shawara ba lallai ne ta kai ga ɗaukar mataki ba sai dai tana share fage ne kafin a ɗauki mataki wato dai haɗuwa ce inda ra'ayoyi ne kawai ake tambaya ana kuma iya cewa manufar shawara ita ce mutane su gana da juna su warware wata matsala ko da suke fuskanta su ɗauki mataki tare da sunan kowa ko kuma su shirya ɗaukar mataki na ƙarshe a wani wuri daban. <laughs> merci pour cette explication. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Justement, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs qui nous ont été envoyés. assalamu rahmatullahi wa wabarakatuh studio kalangu ga sabun se ga sabun mo woni goytere kul marganta se wani wana na bare kanyan irga hangana a lokacin ra da tarai labu irgo garan fondo kokoro irgo ga ran se da nya fosin tara karan ga dabu ka koy labo gundu kunara ka borai afo da wana wana mai karan go gabandi wodin sai irgo ga sabu studio kalangu sai kigin da zari irgo ga hangar mo kigin da zari irgo mai feri irgo ga sabu irgo ware irko tonton studio kalangu da hangan ko da go tere kul marganta ya dinno irgiri foyan di iri wani ñak focine kangogi ga mo tare labera wano wana hasan ikizi falun fa din amerique ta zini adam tamzir din kutunu bene kai la winde din tawa irgogir fonton fontondiɗo wana wana boɗe anno kanki studio kalangu hanga noɗin tara laɓera irgogaran fo irgogaran bani han assalamu aleykum studio kalangu bura kulma taran hire igaran fo irgan bani han irgaran fonde goye mode ko karawde tanga mo kanga arango wati kulu kanga arango ga nigérien me kanga woni niger labora ango ino haru cheke te tabatan dai boray kanga woni niger labora boray kanga diaspora labora irgogaran fonde goye gongo aino sunna ko hamani kimba kan gone go yide kwara dan cendu labora sintina dai ai go ga directeur radio da lol kan gone balla yara ai go ga hirbani ai go ga go yide bura manda me hirbani nganda dan cendu labi zai nan kulkan kini go ai go ga hirbani ai go ga salamiga iri ko garan fonda go ko kaka kanga arango watikulu wadin banda mo asin linya sai da abdu winditan kango ga bore no bon ferey dado da lola radiya bon kango don balla yara so do kalangu mataren hire mataga hame aino hamma halidu balle yara ta kazar labora wallahi si don kalangu labarai do hare irgo mare labarai gumgumo ko kanise bon fere de labarai to tare wone de bindora wone na muna mai do ko ne ye kanise bon fere kan gumgumo irgo ma marka ga gunda zami so kalangu labarai do hare sani kurkan ga ma a labaro gono ya din ga irgo ma sai gumgumo ya din dinno irgo hangan mo ko ne na mai se na mai mo iri iri irgo ma se marka ga manda ko kanise bon fere gumgumo sai da abdu balle yara ai ga fo ni sai ga hanise Habiba, c'est avec ces messages vocaux de nos auditeurs qui prend fin cette émission de ce mardi 31 octobre 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même, Rekia Arimi et Habiba Ahmed. L'édition a été assurée par Rahilat Soumana et Adama Dawaki. À la technique, nous avions Kader Tombiano. Très bon après-midi et bon appétit. Thank